fada fatan kuna lahiya inda wannan shirin namu na duka haɗu fada zai tarda À la fada, on va partout et on parle de tout ce qui intéresse les jeunes. Si je vous dis Jordan, Lacoste ou Adidas, ça vous dit quelque chose Vous devinez un peu euh, le thème de notre fada ah. Julius, on va parler de quoi là <laughs> Ça te dit quoi Lacoste Des gros marques. Hein. Ah ouais. Ah Oh, swag. ça, c'est clair. <laughs> Vous le devinez bien, dans cette fada, on va parler du swag. Son mari m'a sou. cache un sou. yi tsap un kuma yaba. Ben oui, nous allons parler de swag et de tout ce que les mecs investissent dans les fringues. Il n'y a qu'à compter le nombre de boutiques de fringues à pour comprendre à quel point ça marche au secteur. Hein. Yo, Nous allons tout savoir. Quel ils achètent euh, ces jeunes. Euh, investir autant dans les fringues, c'est important. Micro-trottoir, musique et la chronique de la Fada. Olivier, on parle de quoi là Dans la chronique Bon, aujourd'hui, moi, ma chronique n'est pas soignée parce qu'on va parler du coronavirus. Les gars, il plombe bien, Il a tout, tout chamboulé en fait. On y va, let's go dans ces boutiques chargées de chaussures, d'accessoires et de fringues de marque, certains jeunes gagnent bien leur vie. C'est ça, non Ouais. Ben d'autres se ruinent aussi. C'est ça. Hein? Beaucoup, beaucoup. C'est beaucoup de sous, hein, les fringues. Hein? Beaucoup même. Ben voilà, on vient juste à cœur Massataf. Massataf, il est DJ, c'est ça. Nous sommes également avec Don Julius. Don Julius, il est artiste, chanteur. Artiste rappeur. Artiste rappeur. Ouais, exact. Ah, faut faire la différence. Hein? Ouais. Don Julius rappe, Don Julius. Fais-nous un petit truc là. Hein? là tout de suite. Attends, ah, tu veux que je fasse un freestyle à toi ou un freestyle pour tout le monde À moi. Ah, ah. oui. Ah, ok. ah, ok. Ah, ça lui fait ça. Ok, laisse-moi te dire que je t'aime. Mon cœur t'appartient. Ma vie, on n'en parle plus. On ta ami. Ah, non, non, non, non, non, par terre, les gars. Nous sommes également avec El Bandino. El Bandino, ça va Oui, ça va très bien. El Bandino, toi, tu es dans le business du swag, des fringues. Chaussures, montres, parfums, la totale quoi. tout. Ben, <laughs> nous avons aussi de la fraîcheur <laughs> sur cette fada. <laughs> Nous sommes avec Fresh Boy. Fresh Boy, ça va Fresh Boy, il est couturier. L'homme qui qui Ama je vous jure, vous allez penser qu'il vient direct des States, quoi. Fresh Boy, je vous explique un truc. Il porte euh, un gilet pare-balles carrément. <laughs> c'est ça, hein. ça c'est un gilet pare-balles là. <laughs> Mais pour le swag quoi. on y va, on est ensemble sur la FADA. Donc, selon une étude réalisée par l'Institut français de la mode, IFM, l'industrie de la mode française, pèse 150 milliards d'euros de chiffre d'affaires et que ces industries représentent 580 000 emplois directs et 1 million d'emplois indirects. Franchement, ça marche la mode. Et c'est pas qu'au Niger, c'est partout. Nous avons bon, des chiffres pour expliquer à ce qui est. Ce qui est samu, abin hannun su cikin wannan na kaya da ta amma ba mu samu ba. Au Niger, ça marche aussi d'en faire les fringues. Même si nous n'avons pas trouvé de chiffres ici, nous avons des boutiques partout à Niamey et des swaggers partout aussi. Nos reporters Chouchou Zainabou Abdou et Farida Maman ont rencontré des jeunes à Niamey. sont sont contents. ce qui suke son kaya, wani irin kaya suke so je m'habille en tout cas modestement mais je me dis que quelque part si aujourd'hui cette jeunesse est en train de, se lancer dans ce genre de, trucs euh, c'est par euh, des fois, excusez-moi du terme, inconscience. Et aujourd'hui, il vous suffit de voir un rappeur ou bien quelqu'un de célèbre euh, circuler en culotte et tout le monde va l'imiter. Mais quelque part, nous, des, des, des, beaux gosses comme moi, par exemple, vous hmm. voyez, nous, on, fait, on s'habille de notre manière pour plaire au sexe opposé. Hmm. Mais aussi, je crois que le fait de s'entretenir bien, c'est quelque chose qu'on doit faire pour soi-même d'abord. En tout cas, eh, en ce qui concerne le style vestimentaire, bon, tout ce que vous voyez, c'est vraiment les modes qui, qui, qui, qui l'imposent le plus souvent. Certes, il y a il y a ceux qui le font pour confier l'autre. Et aussi, il y a ceux qui le font parce qu'ils ont des moyens. Je voudrais d'abord, premièrement, lancer un appel à ceux qui font d'abord le style parce que je vois l'autre l'a fait, même si je ne possède pas les, les, moyens. Quoi. Et en tout cas, de, vraiment, vraiment, ce n'est pas euh, le copiage. Oui, en tout cas, il faut faire en fonction de ses moyens. ko masu yi don su kare jikinsu daga wani dauda wani cuta dai wani dauda ke iya kawo wasu kuma suna yi ne saboda su birge 'yan mata ko kuma dai su yi don a ce sun iya wanka su wasu ne ka ji waɗannan matasan abin da suka ce mm. me za ka amsa musu ina lalle yadda nake cewa da ni eh, kama wanka na da nake kwa mm. kamar dan yana birge ni ne kwa dan yana birge kake yana birge ni ne kwa kuma da dama mutane sun gane ni ma kamar suna haza kamar ni mawaki ne kwa <laughs> ni ma da kasa ainihin ta magana ce an mawaki ne kin gani ko mutane da dama ma ko saman hanya ne suka gane ni suna yi tikira na kuwa fresh boy fresh boy kuma da dama suna gani na tare da mawaka a ah, ok kin gani ko mm. don ni ina nan shi da duniya na birge ni kwa kuma kin gani tsafta tana da kyawu ma ko cikin musulunci kwa ko mm-hmm. ba kanan ba ana so a ga mutum tsaf tsaf eh kullum yana proper ko ba kanan ba yan mana ko yana girma da mutum kwa yana ganin kullum mutum yana ai mana ba reni to kin gani ko <laughs> mana ba saboda yan mata kadai ne mu muna yin shi ba muna yi ne saboda yana da kyawu ma ko cikin musulunci kin gane ko ba harkar hyper swag <laughs> El Bandino je passe à toi tu me dis toi euh, être là accroché à la mode comme ils ont dit dès que tu vois une star mettre un truc tu as envie de le porter tu es d'accord avec ou je n'en disconviens pas je suis d'accord avec puisque beaucoup de jeunes Déjà, tu as une belle montre, hein, je te dis. <laughs> Merci. <laughs> Puisque beaucoup de jeunes sont en train d'imiter des grands artistes comme Booba, Karis Indiska, Damso. Il y en a plein, on ne peut pas tout citer, puisque tous ces artistes-là, ils ont leur propre marque. Du coup, ce qui fait que les fans aussi sont en train d'investir mhm. financièrement pour pouvoir se procurer ces marques-là. Ouais, ouais. Tu vois donc, Julius, rapidement, je passe à toi. Ah ouais, bon. Dans ben, le swag, tout ça. moi, les des jeunes. Euh, moi, personnellement, je me, dis, moi, je me dis que, que chacun a son point de vue, en fait. Tu vois, non, moi, personnellement, en tant qu'artiste, je crois que euh, mettre de l'argent dans du swag, c'est la moindre chose que tu fais au quotidien. Donc, euh, pour quelqu'un, c'est immoral, c'est irréfléchi. Mais moi, en tant qu'artiste, quand même, je me dis qu'en fait, la moindre des choses, c'est avoir des, des habillements, du swag au fait qui me va, tu vois, et qui plaît et qu'on, euh, ah, au genre de fan, euh, tu vois, à qui je sers ma musique au fait. Et aujourd'hui, euh, pas pour me flatter, mais au fait, la plupart de tout ce que j'ai comme fan, fait, c'est quand ça parle des filles, ça parle de moi, tu me plais parce que tu t'habilles bien sur scène, mhm. moi, tu me plais bien parce que vraiment, tu es propre, et puis voilà parce que le rap, je ne suis pas le seul à faire le rap, donc on est beaucoup. Ouais. Voilà, donc il faut avoir il faut une bien se démarquer. Voilà. Donc Masataf, je vais revenir vers toi. Et to yawa Tiani, shi shiri mm. a to tantapce ta babban abu ne. gane ah. ko? Mm-hmm. <laughs> Ya kamata a ce ana shirya saboda mm-hmm. matsami kuran naka. Shi ne lura na hari. Da ce mm. ma mutum. Ah, an gane kalaman kayan ka ake fara gani. An ganka sai an fara kallon kayan ka. Parce que ba ta yiwa a ganka a sanka sai an hira da kai za a sanka amma daga gani ana ganewa wannan lalle tsaf ne lalle lalle gaye ne <laughs> ya kamata a ce eh yana ji da kanshi yawa kamin ma a fara hira da kai ha ona har ma ana da dan ana da misalin kamar kai kai wani irin mutum ne ba dan voilà donc eh, kenan ya kamata a kama shi Ouais. Maintenant, on entend partout swag, swag. Pour vous, c'est quoi le swag Dans quoi vous préférez investir Je reviens vers toi, fresh boy ka gaya min kamar cikin abubuwan da ake iya sai kai so ka sai daga miye kake iya kudin ka a ciki kamar marka ko mun a ce dai kayan da in takalmi ne mun wanda ne abun da dai nike sa kudi na da yawa hakan ga mm-hmm. takalma ne mm-hmm. <laughs> <laughs> <laughs> ba su ne eh. ah, t'es fan des chaussures euh c'est plutôt quoi moi, c'est plutôt les accessoires. Hein. Ah ceinture, montre, hein. Euh, lunettes, casque, les trucs comme ça. Hmm. que Comment on crée ceinture de montre casque casque kin ma oui har su ma akwai su cikin Il y a yoni dj ne ya kamata ce dit? Eh, ah ouais <laughs> De montre quoi Et voilà Déglage comme il faut <laughs> que ce ça soit top top quoi eh, Elle ouais El Bandino je toi moi je préfère les casquettes les grandes ça se voit hein les grands t-shirts <laughs> genre des marques saint Ok. Charo et puis Damso quoi. Ok. <laughs> je crois que ça c'est un langage que comprendront bien les mecs. <laughs> je vois pas trop parce que j'entends pas Dior, j'entends pas Givenchy, <laughs> je ne comprends pas. Dans du l'histoire, moi, quand on parle d'investir, euh, je pourrais investir aussi dans les chaussures parce que moi personnellement, en fait, euh, tous ceux qui me tuent euh, c'est les chaussures et surtout des chaussures hors série par exemple, quand Adidas sort une hors-série, ou soit quand euh, Nike, ou soit Puma, voilà, il me faut, il me les faut. Par, exemple, ça, ce sont des hors-séries, ce oh que j'ai actuellement. Et ça, c'est les hors-séries. C'est du lourd, ça. Il envoie du lourd, le gars. <laughs> du Puma, euh, de la marque Puma de 2016. Donc, ah. j'ai tout fait pour les avoir et ça m'a coûté la peau de fesse, mais quand même, ça va quoi. Mais il faut que je les ai. <laughs> voilà. <laughs> kuna shirarren wannan shirin namu yana birge ku kuna iya aiko mana ra'ayinku bisa kan lamarin ta WhatsApp 806854. Le swag inspire tellement de jeunes aujourd'hui que c'est devenu le titre de la chanson de l'artiste nigérien Kal. Je propose d'écouter Swag de Kal. Wondo, wondo, est-ce que casa meyo? Riga, riga, est-ce que tu es kisa meyo? Hawa, kina da swaga, magani kina da swaga même si t'as pas beaucoup de billets il faut savoir t'habiller faut jamais oublier faut jamais te négliger dégage la place, la place. si tu n'as pas la classe, la place. dégage la place si tu n'as pas la classe dégage Wondo, Wondo, est-ce que ça me Riga, Riga, est-ce que ça me Haba, il de

jikinka uh-huh, faut changer le corps tu le corps tu le corps changer soit beau gosse beau gosse beau le corps tu le corps tu le corps changer soit joli soit joli soit joli mon est-ce que ça If you can fly, you Kina da suwaga, kana da suwaga. Kana da suwaga, maganin kana da suwaga. avec nos invités aujourd'hui. Cette fois-là, nous l'avons installé dans une boutique de fringues. Nous sommes en face de l'Académie des Arts. Nous sommes euh, à cette fois-là avec euh, Don Julius, il est artiste rappeur, Fresh Boy, Kuma. Nous sommes avec El Bandino. El Bandino, il évolue dans Business Kaya, Takalmi, Chemise. Nous sommes avec Mastataf, il est DJ. Il est producteur, il est ingénieur civil. Ah ouais. Il est influenceur. Multicasquette. <laughs> ok. D'où est-ce que vous tenez cet amour pour le swag des stars comme Dandy du Niger Il n'est pas là mon binôme, mais il est là à la pointe de la mode. Ou euh, des stars comme 50 Cent des États-Unis ou de Booba. Fresh qui mon inspiration. Là, là, je te vois avec Karma, un gilet pare-balles. T'as un truc qui ressemble aussi à un miroir. Et t'as plus le bling-bling que moi qui suis la fille. Bon, nous, qui sommes artistes préférés, qu'il qui n'a quoi Chine Techno. Techno. Ouais. Oh, ah ouais, là je comprends ton style. Mm. <laughs> okay. bon, il ina quoi? kwa kama abubuwan su yi kamar sun birge ni kwa mm. wanda ina iya yi kwa ina neman in su kwa. ko?

wannan sakos in ta da shi bot inda nake aiki wani kalli tana kama da ta fa eh haka ne ke kai dan nauru ne ma sai nake a a haba nace in ta gama mu zaka gane amma <laughs> yanzu bata gama ba eh. gaya ma ne nake sa même dans les grands défilés de mode les gens ils utilisent ça c'est masculin mais franchement c'est non on s'applaudit on s'applaudit on s'applaudit non non non, c'est des pointures c'est des pointures qu'on a <laughs> j'en ai si aussi j'en ai un aussi tu vois

On a aussi Bouba sur l'émission aujourd'hui. Donc, je viens vers toi. Euh. c'est Toi, c'est qui qui t'inspire ah, ben, Moi, personnellement, euh, je, je dirais que je suis comme Master Taf. Je prends de chaque côté. Mais quand même, j'ai un artiste préféré. Donc, déjà, euh, moi, euh, qui n'est pas du genre. Et ça va t'inspirer. Quoi. Ouais, pourquoi pas. ça dépend aussi de ce que tu vas porter. Hein. <laughs> voilà. Donc, en fait, sinon, comme, quand on me voit souvent, en fait, d'autres. parce qu'avant, j'avais un style propre euh, qui avait euh, euh une partie accrocheur avec Icewood. C'est un artiste américain. Ah, je connais bien. Voilà, donc euh, c'est l'un de mes artistes préférés au fait. Donc souvent, au fait, je, m'inspire de lui en matière de rap, euh, et autres. Mais de là, là de, nos jours, là, actuellement, disons que je prends de partout. Tu pioches partout. Voilà, exactement. Parlons à présent du budget. Ça coûte combien d'être stylé Dis-moi, fraîche. Fresh, bon, il y a un bon wallahi kamar hakan ga kwa kamar ba na yadda musu miki su ne guda guda ban wala takalma eh wadan gare suna yake 25000 mil 25 mil ça m'achète euh, 3 pagnes <laughs> <laughs> euh, mais c'est toi qui investis dans même les casques c'est quel budget a un budget ne sai y ina gane sai aljun eh, que gaskiya il son non? Euh, je l'ai commandé de la France à 325 euros. Ça fait environ 200 000. Ah, mais quand même, c'est un gros budget là. Oui, mais je travaille. C'est ça qui. C'est un, un, investissement. Ouais, ouais, et ça revient quoi. Elle dit Toi, que c'est là la mode, il faut un gros budget ou un petit budget ou quoi ah, Il faut qu'il y Pour avoir les bons trucs. Si, vraiment, si tu veux porter de la bonne qualité, hmm. qui cartonne à la une, il faut vraiment de la thune. Il faut beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Wow. Ah Donc, Julius. Toi, l'artiste, rappeur. Hmm, hmm tu m'as déjà parlé de ces chaussures qui t'ont coûté la peau des fesses. Non, Non, non, c'est pas celle-là. Ce sont Ce sont celles-là. Ouais, ouais. Les Puma série. Et eh, ça t'a coûté combien Tu peux me dire <laughs> <laughs> Ben vas-y, il faut vraiment qu'on ah, comprenne ben, cette question de budget. Pour d'autres, euh, pour d'autres, c'est une belle connerie, euh, mais pour moi, c'est une question de. Il le fallait, il le fallait. Et au fait, euh, je les ai commandés au fait juste pour ma, et, pour ma soirée au fait. Ok. Voilà. J'avais fait un concert en 2016 là, donc euh, je le voulais pour. sur concert là. Et ça t'a coûté quoi La peau des fesses là, c'est combien 220 000. Waouh. Aujourd'hui, dans cette fada, mm. on accueille un artiste, Mowa mm. mm. rapier qui comme Mowa Kachizamosa. Donc, je le sais, Gamon, Chaka ça. Mais à son nom, regardez comment tu King. <laughs> C'est laquelle qu'on doit chercher là Nyame King, voilà. Nyame King, hein. Nyame King, ça veut dire que quand il est sorti, Nyame. Exact. Ah on accueille le King, on applaudit pour le King. <laughs> ça le fait, ça le fait. On est gâté aujourd'hui là. On a un King sur l'émission, <laughs> carrément. On va écouter Nyame King parce qu'on est avec le King de Nyame Don Julius sur l'émission. Tout ça à la fada. <laughs> Nyame King, nigga. je suis capitaine à bord, tu veux me critiquer, négro Vas-y, qui font rap d'abord, voici mon kick, mais qu'est-ce que tu veux Même si je te mets d'accord, négro, fais-moi du beatbox et je te rappe jusqu'à la mort. Tu te crois bon MC, ok, viens au corps à corps. C'est de mais que ça kick, tu peux demander à Jim. Carnivore au mec, appelle mon rap l'alligator. Espèce de fêlé, ce son s'appelle Fuck ton rap. Vous connaissez tous ma clique, alors fermez-la tous. Un groupe de malades. Même si sur la rame, bien, bien que des flammes. Dans le phase, que des lames. aujourd'hui, cette fois-là, nous l'avons installée dans une boutique de fringues. Nous sommes euh, à cette fois-là avec euh, Fresh Boy, El Non, Nous sommes avec Mastataf. Donc, Julius, il est artiste rappeur. <laughs> Ok, on passe à la dernière question de cette émission. C'est important parce que ça ouvre des portes ou parce que ça fait tomber les filles comme des mouches. Genre, un coach, elle c'est pourquoi que c'est si important. Mais c'est parce que tu as un andane. Ah, un andane. Ah, ah. <laughs> Mais ça contribue quand même. Ça fait pas. Ah, ça contribue, ah, oui. sûr. Franchement, ah, franchement, si t'es pas. Ah, en tout c'est compliqué. <laughs> c'est compliqué. Attends, il y a Il faut lui envoyer la question. Fresh boy. Le swag c'est important parce que genre un ka zo yanzu ko qui kake nema inda ba kai tsabba ne aikin ba ka same shi ba ko c'est parce que ƴan mata in sun gane ka suna rikice ka hanya suna ah, ah. <laughs> ah, c'est pourquoi c'est si important bon kin gani dai haka nan ne vraiment tun da kin gani yanda nake kama jiki kwa mutane dama sun gane ni ba su ma san aikin da nake ba mai suna neman su sani mine ne ce yanzu suna gani kullum eh ko ni wane ne kwa eh. tunda kullum suna gani takalma masu tsada na wasu bale ah. sarkoki kin gani dai kwa da kanci ni ma ni da kaina dan mace haka hin walƙiya to kin gani ko <laughs> eh wala shi yayi mutane da ma saboda wannan ma ne aiki ma suna kame ba sai sun gani sun ce ni da kaina yana da tsafta bale sun kawo kayan su kwa kenan mm-hmm. ina yi kula da su yanzu suke so ina nan ta hinima to ba matsala <laughs> ba ma masa taf masa taf ben, les filles aussi, ou pas, les, pas que les filles comme tu as dit, mais quand même ça compte, hein, un matin. Moi, les, les filles, c'est pas trop... To, ni da tsaftar nawa c'est pour mon amour propre dans in ji dadin kaina ne. Après kuma dans ya kamata, ya kamata abin da tu vois c'est comme euh, dans l'institution quoi, abin da ya kamata <laughs> Voilà. Ah, tu m'as l'air d'être hmm, cœur de filles là. On écrase, on passe seulement. C'est ça, non, On n'écrase pas. Uh On passe pas, on n'écrase pas. Attends, elle ça. on regarde juste. <laughs> elle me dit non. Ben toi, forcément, tu vas dire que c'est important parce <laughs> il faut que ça paye déjà. Quoi. Chacun a sa manière de voir les choses. Mm Et puis chacun a son goût pour l'habillement. Ouais. Il faut retenir aussi que c'est pas tout le monde qui adhèrent aussi le SWAG. Ouais. Voilà. Du coup. C'est pas tout le monde qui veut être à la pointe de la mode, tout ça, quoi. Oui, oui, puisqu'il y, a des jeunes aussi qui s'habillent en responsable, quoi. Ah oui, Quand être ce c'est pas responsable euh, non, c'est pas responsable. Tant même qu'ils font Moi, de mon avis, je trouve que ah, ce n'est pas responsable. Quoi. Ah ouais Puisque avec, euh, avec le swag, il y a, y a, des endroits mhm. où tu ne peux pas rentrer avec, avec ça. Ouais. Bah, quoi, il y a euh. avec le swag wala inda ka ce zaka bi dai irin wannan kamar mawaka da kake gani ko masu rawa da kake gani a tele ka ce duk kayan da zaka zane suna kana yi mitan su ba haka nan wani wurin ma tsoron ka za a ji wani wurin ka ce ka shiga sai a ji tsoron ka akwai wani wuri ko wasu buci mutane ko wani soyi sun gane kowa da jallabiya suna gane ka kamar autre chose quoi ils vont se mettre des idées en tête quoi ah ouais là on a quelqu'un qui est vraiment hyper swagué fresh boy oh. là j'explique déjà ta des dreads c'est ça, non Même si c'est petit, t'as quand même des dreads, ok T'as des verres qui sont. Comment ça s'appelle Je sais plus, moi. Bon, t'as au moins 4 bijoux sur toi. T'as un gilet par balle, <laughs> carrément. Après, Hendrik Hein ouais, il faut être prêt. ouais, il faut <laughs> vraiment être préparé pour ici. Il <laughs> faut être prêt, on sait gamin. Ah ouais. Les balles peuvent couler à tout moment. Non ouais, c'est compliqué, hein, c'est compliqué la vie ici. menon akwai da ka taba shiga da aka maka wani irin kallo can daban da ba a ce wanga daga ina hito tu zara kwasa tidi jarive bon kin san kowa da irin ra'ayin shi kwa da mm. irin lisayin shi ko ba kana ba mm-hmm, mm-hmm. da dama kowa wanda ba su ganewa kwa fisibillah kin gane mm. kamar sun gane ki ni yanzu mutane dama sun gane ni lokacin sallah yayi in na tashi zan na yi sallah abun yana ba su mamaki ya hakan ga da ni yi. wallahi suna zama ba ni sallah ni sallah duka ba ta wuce ni kamar ni kan na ça le fait donc Julius ouais. genre t'es trop swagué machin truc mm. ça, ça t'ouvre des portes ça fait tomber mm. les filles mm. ça fait tomber les fans ou ça fait quoi ben, moi personnellement je dirais que c'est les deux hein, parce que la plupart des fans me me flattent juste parce que je suis bien habillé d'autres disent que je suis violent au mic d'autres disent que j'ai la scène en fait donc euh, pour moi euh, être swagué c'est c'est une arme. C'est important. C'est très important pour moi. Il le faut. je vous explique. Hein. Même mm. moi, les traces que vous voyez là. Mm. On dit, ah, mais t'as plus combien de temps à ton âge Je dis, Au fait, je voulais même te renvoyer la question. Au fait, euh, quand tu te soignes là, tu le fais pour nous autres ou soit. Euh, voilà. Ah, mon <laughs> ah, Je non, Julio, tu t'expliques un truc je suis un peu comme un Quand je me soigne, je suis vraiment dans ma bulle, quoi. Tu vois, je veux qui je veux être. C'est vraiment moi, ma personnalité et tout, quoi. Bah, <laughs> c'était bien. La, la aussi. aussi, l'animatrice de la Fada a eu sa dose de questions. <laughs> on est à la fin de séance questions. Là, on va accueillir Mr. Olivier. La Fada, c'est aussi la chronique de la Fada c'est Olivier qui va nous parler, il va plomber l'ambiance, c'est vrai, avec coronavirus. Olivier, on t'applaudit comme il se doit. Là. Merci, ravi, merci. Beaucoup d'amour, beaucoup d'honneur, beaucoup de respect dans cette fada. Bonsoir à vous. On parlait swag, on parlait classe, on parlait sap. Et moi, je suis venu pour vous parler de la mise en quarantaine. Toi, tu viens casser l'ambiance. <laughs> on est là, ça te plaît pas. Ah, un truc comme ça. Un truc coronavirus, la mm. quarantaine est-elle une mesure efficace pour éviter la propagation C'est le titre d'un article du journal Le Monde que j'ai lu cette semaine et comme toutes les semaines, j'ai envie de partager avec vous ce que j'ai retenu. La quarantaine ou bien la mise en quarantaine. De quoi s'agit-il un médecin a accepté d'expliquer ce que veut dire une mise en, quarantaine. Il s'appelle Ahmed Taher, il est médecin généraliste on l'écoute. Le quarantaine, c'est tout simplement une période d'isolement partiel ou total imposée à une personne euh, exposée à une maladie infectieuse. Cet isolement sanitaire a pour but, a pour but tout simplement d'empêcher la transmission de certaines maladies supposées contagieuses. C'est l'une des, euh, des premières méthodes pour lutter contre la transmission des maladies contagieuses rappelez-vous le, cas du virus euh, Ebola et du, virus qui fait l'actualité aujourd'hui maintenant, le coronavirus. Donc ce sont des maladies infectieuses qui ont obligé de mettre les personnes atteintes en quarantaine pour empêcher, pour empêcher de, transmettre la maladie à d'autres personnes. Il faut les éviter d'avoir contact avec d'autres personnes. Donc en, faisant cette euh, attitude, on, rend impossible la contagion de la maladie et les maladies infectieuses disparaissent d'elles-mêmes. Alors, est-ce que cette mesure est toujours efficace ou bien cette mesure a des failles non, cette mesure est très efficace. Je vous disais, c'est d'ailleurs la, principale, la première démarche à faire quand on déclare une épidémie ou bien une maladie contagieuse. Il faut mettre les personnes confirmées ou bien les personnes suspectes en quarantaine déjà, euh, les isoler de la population, empêcher des visites jusqu'à ce que on rende la contagion impossible, jusqu'à ce que ces personnes-là soient déclarées complètement guéries pour pouvoir, pour pouvoir les permettre d'avoir des visites ou bien avoir d'autres contacts avec des personnes. C'est une méthode qui, est très, très, très, très efficace. Donc, et ça fait toujours l'actualité. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la mise en quarantaine est une mesure qui remonte au 14e siècle et elle est la plus ancienne méthode de confinement de malades. Elle rappelle l'épisode de lèpre dans l'Ancien Testament. C'est pour se protéger de la peste noire qu'apparaissent la mise en quarantaine au XIVe et XVe siècle et les premières villes touchées étaient Dubrovnik en Croatie et Venise en Italie. Euh, je... Une petite parenthèse. Ça fait peur, hein, ce machin truc. Non, c'est en Chine. c'est en Chine. On a beaucoup de produits chinois, je crois. on a à craindre parce que Vraiment quoi. Alors que Dieu nous protège. Amen. Alors que Dieu nous protège du coronavirus. J'espère que le soleil peut tuer ce virus quoi. Parce qu'ici on a le soleil. Espérons bien. Ah oui, nous on a eu Ebola, le monde n'a pas eu Ebola. Donc je pense que nous on a déjà eu notre euh, dose d'épidémie. <laughs> Là on souhaite euh, rétablissement aux malades. Et quant à ce qui concerne l'efficacité de cette mesure de mise en quarantaine, l'article que j'ai lu révèle que son efficacité dépend de la rapidité des autorités à la mettre en place. Ainsi, Patrick Zilberman, qui est un historien de la santé et professeur émérite à l'école des hautes études en sciences publiques, interrogé par le journal Le Point, il affirma La quarantaine peut par exemple retarder et diminuer la hauteur du pic de contamination et ainsi réduire la mortalité. Mais il ne faut pas mystifier la quarantaine, penser que c'est l'arme absolue avec des pouvoirs magiques. Plusieurs réflexions révèlent d'importantes forces et failles de la mise en quarantaine, mais quoi qu'on puisse affirmer, elle reste l'une des mesures sanitaires en cas d'épidémie. Et l'objectif, c'est de limiter les dégâts pas de repousser une partie de la population. Et l'objectif de cette chronique, c'est pas vous faire peur, mais c'est juste vous alerter. Merci. Merci, bien, Olivier. Merci, vraiment. Euh, c'est important de le savoir. c'est la fin de tout ça. la fada. On va se dire Bye bye, on était avec euh, Fresh Boy, on était avec Taff, le DJ Fresh Boy, le couturier hyper swagué. On était avec El Bandino, businessman des Friend, On était avec euh, Don Julius, artiste. C'est la fin de Salafada. Yo, Munihira Swaga, Munihira Wanka, kama to wannan wankan kuma sun ce dole ne wanda ma a ce takalmin in ko mun kuɗin shi masu an shi kamar don Julius da ce takalmin nashi wajen dosan ya kalkimin shi kuma wannan ba ni sunan shi masa shi kuma da ma yake wannan music ba irin wannan DJ ne shi kuma yace a shi ma pour vous dire c'est important le swag comme le dit nos invités. Donc, on vous remercie d'être là. On remercie la boutique qui nous a accueillis, bien sûr. On est entouré de jeans, de chaussures, pas mieux pour parler de swag. On remercie toute l'équipe qui nous a accompagnés, les reporters. On était avec nos invités, ils nous ont tout dit, on a tout compris. Budget, on y va, ça fait comme jamais, Olivier. Le plaisir. Bye bye. Bye bye. Pas, vous pouvez avoir toutes ces émissions grâce à notre numéro WhatsApp 80 06 88 54. C'est mon arahadoua sur tous à la fada.